Tüm que geride kaldı. C'est bon. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ça part. C'est bon. Bonsoir. salaamaaleykum bonjour dinañ jaajëfal seen teewaay teewaay encore une fois balaa ñoo tàmbali rek comme d'habitude on fait euh, l'hymne national après ñu jàll ci déclaration. Une, deux, trois. Laissez-nous encore à frapper par la fond. Le lion rouge a rugi, le dente de la brousse. Le monde s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terres soleil sur notre espoir. vos frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de nos corps, épaule contre épaule. Debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique, même. Bonjour. Le collectif euh, citoyen non langue euh, a convoqué aujourd'hui la presse pour faire une importante déclaration. Le samedi 18 euh, janvier 2020, 15 de nos camarades ont été arrêtés injustement par la police pour distribution de flyers. Ces flyers-là alors, pour les motifs, qu'est-ce qu'ils ont dit Participation à une manifestation illicite et non autorisée. Qu'est-ce qu'il y a d'illicite à distribuer des flyers où on fait comprendre aux Sénégalais qu'il est victime d'un racket par le gouvernement C'est 15 citoyen ont fait deux jours, ont passé deux nuits dans les geôles du commissariat central et vient d'être libérée ce matin. Après la tentative de division, de diabolisation du collectif, le gouvernement euh, entre euh, dans une tentative euh, dans une tentative d'intimidation comme un régime fasciste pour faire peur aux citoyens afin qu'il se résigne, C'est sans compter euh, sur la détermination du collectif non-langue et de ses composants. Sur ce, euh, je vais donner euh, la parole à Daouda Gay qui fera la, déclaration en français et Fadel en wolof. Vous c'est ça C'est comme ça. samedi 18 euh, euh, janvier 2020, euh, des camarades membres du collectif Non-Langue, issus donc des différentes organisations qui composent ce collectif, ont été injustement et arbitrairement arrêtés au niveau du rond-point SAM, à côté de l'hôpital Abbas on leur reprocherait d'avoir tenu une manifestation illicite non autorisé euh, non déclaré alors qu'en réalité, il ne s'est pas agi d'une manifestation, parce que vous le savez, chaque fois que le collectif tient une manifestation, euh, il l'organise suivant, n'est-ce pas, donc, des procédures définies par la loi, à travers notamment une lettre de déclaration de manifestation adressée au préfet de Dakar. Donc, il s'est agi de citoyens, comme vous le voyez toujours, à travers justement des actes que posent des commerciaux à Dakar, qui euh, donc distribue des flyers. C'est ainsi par rapport à cette euh, décision de hausse du prix de l'électricité d'aller à la rencontre des citoyens et de discuter avec eux, d'échanger avec eux pour partager justement ces flyers-là dont le contenu est là et nous ne voyons rien qui, qui viole la loi dans ce contenu-là ou bien rien d'illicite. Des milieux de ménage reçoivent actuellement des factures d'électricité anormalement élevées et en appeler justement à la cessation du racket d'État sur les citoyens. Et ça, ça correspond au fait, ça correspond à la remontée d'informations que nous avons eues euh, à partir justement de citoyens qui ont reçu des factures qu'ils ont trouvées anormalement euh, facturées. Et ces arrestations-là, le modus operandi, nous avons dit à le dénoncer lors des arrestations survenues euh, avant, consiste justement en une sorte d'instrumentalisation de notre police nationale et de nos forces de sécurité qui euh, euh, sont fragilisés parce qu'ils ne se présentent pas avec euh, des tenues ou bien en tout cas avec des identifiants. et arrivent habillés en vendeur de café ou bien en tout cas en baïfal, de telle sorte que ça les fragilise et ça les met en danger parce qu'on ne peut pas marcher dans la rue et être interpellé par un kidam qui n'a pas d'identifiant, ni par la tenue, ni par la carte professionnelle, et qui te met en état d'arrestation comme cela. Et cela, nous, nous le dénonçons et également la brutalisation de nos camarades parce qu'ils sont brutalisés par ces gens-là qui sont habillés en baïfal, euh, habillés, n'est-ce de façon à ce qu'on ne puisse pas les identifier comme euh, appartenant aux forces de sécurité. Et il y a les insultes, il y a les humiliations, il y a tout cela qui, en tout cas, n'honore pas notre police nationale, mais nous savons que derrière, il y a euh, les politiques, euh, notamment du régime, qui les tiennent par des carrières qui les poussent vers des agissements qui n'honorent pas la profession, qui n'honorent pas du tout nos forces de sécurité et de défense. Et nous fustisons cela, nous, au niveau de nos langues, fustisons également la manière et les modalités suivant lesquelles ces arrestations sont, euh, sont, sont faites. En même temps, si, en fait, on peut reprocher à des citoyens de vaquer librement à leur choisie qui consiste à aller au-devant des populations pour échanger avec eux, pour discuter avec eux sur cette décision inique et injustifiée de hausse du prix de l'électricité, évidemment, ils nous retrouveront sur le terrain parce que nous comptons remettre ça et tous les samedis, mais au-delà même des samedis, tous les jours, quand le besoin se fera sentir, nous irons dans la rue, nous investirons les différents acteurs de Dakar pour aller au-devant des populations à leur rencontre, échanger avec eux sur euh, cette décision de hausse du prix de l'électricité, prendre leur euh, ressenti par rapport à cette euh, décision-là, parce que tout simplement le collectif non-langue, certes nous sommes là, mais c'est un collectif qui appartient à tous les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle notre démarche se veut inclusive, notre démarche se veut participative, raison pour laquelle nous faisons du bottom-up et ça nous pousse à aller au-devant des populations pour recueillir à travers les échanges que nous avons avec elles ce qui euh, relève de le ressenti relativement à cette postes-là, mais également partager avec eux ce que nous avons fait à travers le travail intellectuel de production pour euh, apporter des éléments justifiant euh, le caractère unique de cette, de cette poste. chose, il y a le camarade Guy marie Sagnan qui est Ousmane Sarr, les camarades Guy marie Sagnan vous avez derrière nous, euh, Ousmane euh, dont le dossier doit euh, donc être traité au tribunal correctionnel de Dakar. Ce sera demain à, à l'assemblée d'accusation de Dakar du tribunal de Dakar demain donc à 10h et nous appelons tous les citoyens qui sont indignés par leur arrestation et leur détention arbitraire unique, je dirais même leur enlèvement et leur séquestration, à se présenter massivement au tribunal pour leur apporter leur soutien, mais également pour faire comprendre à ce régime-là, mais également à ses bras armés, que la population sénégalaise se reconnaît à travers l'acte que Guy Sagna a eu à poser avec euh, Ousmane Sarr, avec euh, également Fallou Galesek et les autres qui ont été élargis, ce que nous ne comprenons pas, parce que comment est-ce que l'on a pu arrêter des gens au nombre de neuf au même endroit, suivant le même motif, en libérer 6 et garder encore en détention les droits. Cela est inacceptable dans un pays qui se veut un état de droit. Et nous, du collectif non-langue, mais également les populations qui sont avec nous dans ce combat-là, contre la hausse du prix de l'électricité, mais également contre l'arbitraire, allons nous euh, maintenir debout pour qu'on ait à dénoncer cela par toutes les formes. Donc demain, nous appelons tous les Sénégalais qui, euh, dans le temps, permet de se rendre au tribunal, de manifester encore notre soutien à nos camarades, de manifester également notre adhésion à leur combat qui les a menés à cette séquestration-là pour appeler ce régime-là à les libérer parce que tout simplement, c'est des gens qui ont des familles et qui ont euh, été détenus. Ça fait maintenant bientôt euh, deux mois. Nous allons également vous rappeler la manifestation parce que nous avons déjà un agenda que nous avons décliné à travers une conférence de presse et cet agenda-là, rien ne va nous en divertir rien ne va nous en détourner. Nous allons comptons donc à la fin de ce mois organiser une grande manifestation, aussi bien à Dakar que dans les régions et départements du Sénégal, mais également dans la diaspora. Dire tout simplement à ces régimes-là et à ces suppôts que tant qu'ils ne laisse pas les populations s'exprimer librement, tant qu'ils ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie, ils n'auront la paix nulle part, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans la diaspora. Ça va, ça va commencer et ça ne va pas s'arrêter. Ils ont intérêt à revenir sur les principes qui fondent la démocratie et l'état de droit, sans quoi qu'ils n'espèrent pas avoir la paix, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit à l'étranger. Le Corée de langue va continuer ce combat-là avec les Sénégalais jusqu'à ce qu'effectivement notre demande légitime qui consiste à ramener ce gouvernement-là, sur sa décision de hausse du prix de l'aide, c'était une décision qui est unique, qui est insuffisante, que justement cette demande-là soit peu satisfaite. Voilà donc globalement ce qu'on tenait, n'est-ce pas, à porter à la connaissance de l'opinion à travers ce face-à-face -face avec la presse, mais également dire que tous les samedis, nous allons retourner dans la rue pour distribuer des flyers. Et ceci n'a rien à voir avec euh, l'agenda que nous avons décliné dans la stratégie que nous avons portée à la connaissance de la population face à face avec la presse. FIP, que ce soit ici au Sénégal ou dans les raisons flyers FIP. Ils ne veulent pas voir des flyers. Nous allons leur montrer les flyers dans la rue. Nous allons entrer au besoin dans le domicile, jusque dans le chambre à coucher. Ils vont voir ces flyers-là parce que tout simplement, nous allons leur renvoyer au visage le caractère unique et injustifié de ces décisions de hausse du prix de l'investissement. Je vous remercie. Voilà. Donc le mercredi 22, déjà,

samedi bi ñu génn ay membres collectif Norlan dañ doon joxe di séddale ay flyers dalee sénégalais yi personnes retraitées yi liggéeykat yi fële ci Médina boobu lañ ko police tekkee jàpp leen bañ leen jàpp sax xam na ñenn su ñoo xam ne yenn policiers dañ leen doon saaga dañ ko dañu jàpp ko saaga toroxal ko te dañ koy koy jàpp sax dafa kon mu toog doxutoon sax far dafa toogoon te teewul bi ñu leen jàppee yóbbu leen ci commissariat bi bi ut ñu di ut a toppee da ngeen a def ndaje boo xam ne ndaje bi yiwut benn ñaareel bi mooy ne aussi yëgalu leen yëglewu leen loolu benn bi ci topp fan yee ci ginnaaw dafa am lii dafa xew ci jamono ji nga xam ne ay manifestation bu amee ay policiers yu am yu siwiru wala sax xamul ndax policier lañ wala ay booy lañ ñu sol leen neex ñooy ñëw di jàpp ah état de droit bi ñu ngi koy menacé suñuy liberté ñu koy menacé te lii di raam bu ñu ko bàyyee baaxul ci réew ndax réew mënuñu tere ay citoyen ñu dem dajeeg yeneen citoyen waxtaan ci loo xam d'accord nañ ci wala ci d'accord

réew démocratie réew mu mel ni Sénégal ak lu fi suñu maam daj bañ toll fii tey mënuñu delloo ci jamono joo xam ne boo bëggee dem sax waxtaan ak dox mbokk wax ak sa beneen mbokk ci côté bi ñu ngay dem tàggu préfet wala police foofu la ñu bëgg indi. collectif non lank nag du ko nangu nu mu soppantalee tentative yi nga xam ne fan yi gis nañu ko ñuy dem di dem diaboliser mouvement bi naan dañoo tasaaroo ci seen biir.

danañ am flyers fépp kay gi ñuy bañ ni kay gi kay gi nga xamne waxul lenn lu courant bi attanuñu ko te nguur gi daf ko bëgg jël jëlé ci suñu poste pour pour pour faj ay soxlaam yo xamne ci seen dundin la ñoom loolu leen wax ni courant boobu ñun attanuñu ko te duñu ko nangu te dinañ ko xex ba kérok Macky Sall delloo way way way li lu tax ñu bañ na duñ ko wax ci réew mi comme que bañ nañ ko nak ba japp ci ko juróom ci ñun dañ leen may flyers fépp muy tàmbali àllarba bii di ñëw te ñu ngi wax sénégalais yi képp koo xam ne yaa ngi soxla flyers bi boo demee ci internet bi ñun dañ ko ci publier mun nga ko sotti yow it nga dem def say flyers fépp koo gerte si sa morom rek jël ko jox ko flyers bi nga mu jottali ko keneen mu jottali ko keneen waxuñ ci leneen lu dul courant bi dafa seer te Macky Sall mun na ko wàññi bu ko wàññiwul ndax dafa bëgg jël réew mi continuer ci gundaandaar te mu war a xej faneen mu bëgg sénégalais jëlee ko seen poche loolu rek la kayit gi di wax loolu mooy ñaari éléments yoo xam ne bëggoon nañ indi nañu ko ci affaire flyers bi nga xam ne mu lañ jàppee woon suñu gars yi beneen bi ci topp mooy que suba incha allah buñ ci yeggee suñu naataango bii Mari Sagna dafa war a dem avocat yi dañ ko war dem layal ci chambre d'accusation pour mu jot ci boppam Ousmane Sarr ak Fallou Galass Seck pour ñu jot ci seen bopp loolu nag dañu ne sénégalais comme ñii da leen bàyyi ca kaso ga ngir seen jàmm la yéen may leen xel ku mun a ñaan nga ñaan ñaanal leen ñu am jàmm ñu génn ci ku leen mun a dimbali nga affaire boobu lañ doon def pour affaire kii bi beneen point bi nga xam ne nag moo ci des mooy ne Noo Lank mi ngi wëyal mi ngi wëyal programme mi ngi koy wëyal bàyyiwuñu kenn di ñu distraire di ñu reeteete yeneen reeteet yoo xam ne amul njëriñ ba ñu nar ñu yóbbu ci leneen nekkuñ ci loolu suñu programme bi ñu ngi koy wëyal ba le 31 bi euh, ci fin du incha allah nañ leen jox date exacte bi kañ la danañ am beneen dox bu mag ci jàmm ak daal comme ni ñu ko daan defee bëggaat mbooloo mi génn comme ni ñu ko daan defee pour ñu bu continuer di wan Macky Sall ne ko lii sénégalais yi ànduñ ci. sénégalais yi ànduñ ci mu jàpp nit ñi di tëj sénégalais yi ànduñ ci mu jàpp nit ñi mu yokk seen courant bi di addu seen gàll moo tax barki dem gis ngeen na ko ñu dem benn Sénégalais jug taxaw na courant bi dafa seer que na libéré Guy Marius Sagna munoo xañ nit ñi sa jàmm ci réew mi buñ demee buntu palais nga jàpp tëj buñ demee ci biir marché yi di waxtaan nit nga jàpp tëj fan la ñuy waxee buñ la fekkee ci biir di jàkkaarloo yow wax la ko buñ la fekkee ci biir di wax la ko mënoo ñu xañ jàmm ci réew bi ba pare bugg am jàmm ci bitim réew bi nga xam ne nit ñi am nañ fa seen liberté ñu agir donc lu lañ amoon lu ñu doon tënk ci daje bi si vous avez des questions. c'est bon. merci. merci beaucoup.